L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant. Je remercie tout le monde de dire que le, 9, on voudrait que tout le Sénégal soit au Grand Théâtre. Parce que c'est très important. Je pense même que le président Macky Sall, ces temps-ci, il est parti en Russie. Je pense qu'on veut faire une collaboration culturelle entre le Sénégal et la Russie. Comme en tant que danseur sujet avec Mme euh, Slou. Donc on va tout faire pour créer quelque chose d'exceptionnel par rapport entre le Sénégal et la Russie à travers la danse, à travers l'Académie des ballets russes du Sénégal, euh, Maurice Béjar, qui est, établie établi au Grand Théâtre ici, à venir voir ce que c'est, à venir essayer, à venir s'inscrire. Euh, c'est une académie aussi qui, promet euh, de pouvoir poursuivre des études en danse en Russie. Donc c'est quand même une opportunité, une occasion unique pour euh, des générations de, futurs danseurs, quand on sait que les Sénégalais sont très talentueux en plus et très doués dans l'art. Donc c'est vraiment une occasion unique pour eux de pouvoir intégrer cette académie et de pouvoir aller en Russie faire des études à travers la danse, dans la danse. Bousso, administrateur général du Grand Théâtre. pour vraiment la euh, population sénégalaise

Donc, euh, vraiment, je, remercie les journalistes qui sont venus vraiment nous aider à faire. Euh, depuis le, vendredi, le lundi prochain, il y aura le ballet russe qui sera là. Donc, euh, je pense que depuis que le Sénégal est Sénégal, il n'a jamais eu un ballet russe comme ça. Et c'est un très beau ballet, un ballet professionnel qui fait de tout du monde. Donc, on a eu l'occasion avec Mme Tlou, qui est une Russe qui est mariée avec les Sénégalais et Russes, donc avec aussi l'ambassadeur de Russie qui nous a beaucoup permis, aussi qui nous a aidés pour faire venir ces C'est plus de 15 000 kilomètres. Euh, donc, ils nous ont financièrement, ils nous ont aidés. Euh, culturellement aussi, je pense que c'est important que les Sénégal puissent envoyer là-bas des danseurs euh, en Russie pour qu'ils puissent apprendre la danse contemporaine de la danse classique. Moi, je m'appelle Mikhail Tarasov, je représente le ministère de l'économie maritime de la Russie ici à Dakar. Et j'aimerais bien de noter que la coopération entre le Sénégal et la Russie, ça date depuis longtemps. C'est une coopération fructueuse, basée sur le, sur fondée sur les conditions de mutuelle, euh, réciproque et euh, mutuellement profitable. Euh, la partie russe, elle accorde beaucoup d'importance à le développement de la culture de Russie ici à Sénégal. Il y a beaucoup de projets différents. On est très content que le fameux ballet russe puisse s'implanter ici sur la terre de pays de Teranga. C'est grand plaisir pour nous parce que la Russie a la grande expérience dans ce qui concerne le ballet. C'est, on a la tradition depuis 300 ans et on est ravis de partager cette savoir-faire et cette expérience avec nos amis sénégalais. Ah, aussi, j'aimerais bien aussi de noter que cette coopération au niveau de la culture, c'est juste un des axes de la coopération entre la Russie et le Sénégal. Notre coopération, elle est franchement multifactorielle. Il s'agit de la coopération dans le domaine de formation tout d'abord, parce que chaque année, la partie russe, elle la accorde plus que 20 bourses à la partie sénégalaise. Cette année, on a accordé 25 bourses. Et aussi, j'aimerais bien d'ajouter que la première fois dans l'histoire de la Nouvelle-Russie, la partie russe a accordé 9 bourses spécialisées pour le domaine de la formation maritime pour les ressortissants sénégalais. Il s'agit de futurs capitaines et futures générations de biologistes qui vont travailler au profit du peuple de la Sénégal. Aussi, on a beaucoup de projets différents dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'énergie. Et on compte que la coopération de la culture, surtout dans les échanges entre nos théâtres, et le théâtre de la Sénégal va apporter beaucoup de bonnes choses au profit de l'amitié chaleureuse entre nos deux pays. Merci beaucoup. Euh, c'est docteur Souleymane Antendiaï, chef du bureau économique du Sénégal à Moscou. Alors, ce que je veux dire, c'est que la culture est am solo. La culture de économie. Alors, euh, le président Macky Sall, euh, dafa le Sénégal ak Russie seen diggante plus a dëgër ci ci anam loolu moo waral moom ñëw na lu mat ñeenti yoon Russie depuis bi mu nekkee président ba léegi ñëw Saint-Pétersbourg ci G20 bi ñëw na Coupe du Monde récemment nous na ci sommet Russie Afrique bi fële ci Sochi euh, en dehors de ça nous na beneen dëkk bu ñuy wax Kazakhstan en 2016 Kazakhstan est une république république bu nekkoon Union soviétique la mais ñoom tam ba russe la ñuy lakk donc président bi accordé na trop importance diggante Sénégal ak Russie Ce kay est def défini, And ci ak madame Slou lu bax la parce que loolu day gëna a dëgëral Sénégal ak ak Russie danse am solo trop mais ñom danse bi ñuy danse bi ñuy def muy danse classique ñun ñu bari xamuñu ko mais am solo trop pour que Sénégal itam ñëw découvrir loolu motax ma ngi leen di ñaan yéen itam yi ngeen ngeen information bi pour que vraiment Sénégal yi ñëw jàppale Grand Théâtre jappalé ci euh, Keysi Bousso et puis gëna a relation yi entre entre la Russie et le Sénégal sur le plan culturel. Euh, en tant que représentant de l'ambassade de la Russie pour moi почетно быть сейчас находиться здесь, в театре. dans ce théâtre, dans ce grand théâtre et théâtre fameux. И быть свидетелем такого грандиозного события, как отры... открытие русской школы балета здесь, в Сенегале, в Дакаре, в столице. Et être témoin de cet événement formidable comme l'ouverture de la première école de ballet, le premier théâtre de ballet russe ici à Dakar, la capitale du Sénégal.